un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 71 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne. 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Tiaroy 2, Gueule 1, Plateau 1, Liberté 6 1, Dieppel 1, Cité Domaine 1, Cité Cœur d'Amel 1, Guédiouaï 1, Pikine 1, Wakam 1 et Touba 6. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 4 516 cas ont été déclarés positifs, dont 809 guéris, 52 décédés et donc 654 sous traitement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 ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaari test yi ñu def juróom-ñett fukk juróom ñeent ñoo ci positif ma bamtuwaat ko juróom ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk benn di ay kaa contact benn kaa importé ci ay fukk ak juróom-ñaari cas di ay cas communautaire ñaar ci tiaroy ben ci gël tapé ben ci plateau ben ci liberté 6 ben ci jëppël ben ci cité domaine ben ci cœur d'amel ben ci guédjeway ben ci pikine ben ci wakam ak juroom ben ci touba téeméer ak fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñaari cas ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñu koy wax Sowétas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk ba Sénégal waññi na ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk juróom benn cas yu positif ñaari junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent ñoo ci wër juróom fukk ñaar ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ñeent malade yoo xam ne ñu ngi leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu samonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm